le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du Studio Kalangou et bienvenue dans le Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Nous aborderons dans le forum d'aujourd'hui les sujets suivants. D'abord, les débats qui suscitent l'investiture de Bazo Mohamed, ministre nigérien de l'Intérieur, comme candidat officiel du parti PNDS-Tarea à l'élection présidentielle de 2021. Ensuite, cette énième grève des agents de santé qui paralyse les centres de santé de Niamey. Enfin, cette décision polémique du ministère des Enseignements secondaires portant interdiction de cours de soutien dans les établissements scolaires. Pour en discuter, nous recevons dans ce studio nos confrères Sidik Ali, analyste politique. Sidik, bonsoir. Bonsoir, Anassa. Nous attendons deux de nos invités, à savoir Rufai Dandoua, journaliste indépendant, et Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Et pour la présentation, Alassane Kouzi Mohamedou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 5 avril 2019. Nous débutons ce forum par un sujet politique qui suscite la polémique. Il s'agit de la désignation de Bazo Mohamed, actuel ministre de l'Intérieur, comme candidat officiel du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Tarea pour briguer le poste de président de la République aux, échéances, aux échéances électorales prochaines de 2021. Il a été investi dimanche à Niamey par les délégués de sa formation politique Venu des huit régions du Niger. L'opposition politique voudrait que Bazoum quitte le gouvernement car il occupe un portefeuille en charge de la tutelle des élections. Écoutons à ce sujet le député Issaka Issoufou de l'opposition interrogé par Habibou Garba. L'opposition a tout simplement demandé au président de la République, maintenant que le sieur Bazoum est candidat déclaré investi, il faut tirer les conséquences. Autrement dit, il ne peut plus continuer à siéger au sein du gouvernement, encore moins en tant que ministre en charge des questions électorales. Je pense que toute la classe politique va s'unir pour exiger que ce changement soit effectif. Et du côté de la majorité au pouvoir, aucune disposition de la loi ne prévoit le départ de Bazoum, du moins pour l'instant, suivant le député et président du groupe parlementaire PND Estaria, Sadou Dile. Le ministre de l'Intérieur n'organise pas les élections. Il est la tutelle des élections. La CENI qui est investie de cette mission, c'est une structure indépendante. De toutes les façons, que le ministre Bazoum, candidat du PNDS, qu'il soit au ministère de l'Intérieur comme dans un autre ministère, il faut que les gens sachent et les relèvent d'un parti qui est au pouvoir. Au Niger, la Constitution n'a jamais dit et aucune loi ne dit jamais qu'il faut démissionner de toutes les actions activité politique avant d'être candidat. En tout cas, pas au niveau du gouvernement. Voilà, vous venez d'écouter euh, Sadou qui est président du groupe parlementaire PNDS Tarea. Euh, Sidi Kali, euh, je disais analyste politique, vous avez écouté opposition, majorité, en tout cas, qui tiraille par rapport à la candidature, à la désignation de Bazou Mohamed comme président du candidat à l'élection présidentielle de 2021, alors qu'il est encore ministre de l'Intérieur, quelle réaction vous, vous vous, euh, les arguments avancés dans ces deux interventions, opposition-majorité Bonsoir Alassane, euh, bonsoir chers auditeurs. Euh, la question que vous venez de poser, c'est une question qui mérite beaucoup de réponses. Mm. on ne peut pas se contenter d'une seule réponse parce que c'est une question très complexe. Euh, le PNDS vient d'investir son candidat aux élections présidentielles. D'abord, la première euh, des choses qu'il faut retenir, c'est que euh, l'opinion publique trouve que c'est très tôt. Il reste encore au moins deux ans pour les présidentielles. le fait de désigner maintenant, sachant bien que c'est encore très tôt, le candidat suscite beaucoup d'interrogations au sein de l'opinion nationale et surtout euh, au sein de la classe politique nigérienne. Euh, deuxième euh, commentaire qui mérite d'être fait à ce niveau, je trouve personnellement que la réaction de l'opposition, elle est vraiment fondée. Parce que quelque part, ça renvoie à la notion de l'égalité des chances. Vous savez, le Bazoum est aujourd'hui candidat. Et il se trouve aussi qu'il occupe un poste euh, qui est le poste du ministère de l'Intérieur quand même, qui a la tutelle politique quand même de l'organisation des élections. Donc c'est pourquoi, même pour lui, pas pour autre chose, même pour lui personnellement, il serait quand même euh, très bien vu euh, si vraiment il tient à ce que vraiment, en tout cas, il soit vraiment, en tout cas, élu de façon exemplaire, de façon élégante, qu'il quitte ce poste pour que vraiment qu'il se mette dans une position vraiment d'égalité Ouais euh, avec les autres candidats. Mm. Mais cela, tout à l'heure, le député Issaka Issoufou l'a dit, mm. euh, que euh, normalement, il doit quitter. C'est vrai, normalement, il doit quitter, mais c'est que quelque part, si vous essayez de voir techniquement et juridiquement, ça rien n'oblige Bazoum à quitter ce poste. Parce mm. qu'il n'y a pas de disposition légale. C'est ce que Dilé Sadou dit. Non, c'est vrai parce que beaucoup des analystes ont essayé de voir de près, est-ce que Bazoum est contraint juridiquement de quitter euh, ce poste, mais rien vraiment en tout cas euh, ne le contraint à quitter, mm. sur le plan juridique en tout cas, mais seulement euh, pour une question d'élégance politique, pour une question vraiment en tout cas d'égalité de chance, pour une question même, c'est-à-dire de, de, fierté en tant qu'homme politique, voyez-vous, surtout qu'aujourd'hui Bazoum n'a rien à craindre, aujourd'hui il a tous les instruments à main, pas lui en personne, mais le système en place. Hmm. Tout le système PNDS est là en place. Tout le dispositif électoral aujourd'hui, euh, plus ou moins quand même euh, euh, mis en place par le système en place. Donc c'est pourquoi il n'y a rien à craindre, même s'il quitte dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Mais seulement, bon, peut-être ça peut être vraiment juste une petite consolation pour l'opposition politique. Bien. Roufaï vient de nous rejoindre. Rufai Dandoua, bonsoir. Bonsoir, Cosi. Et euh, donc, vous venez de nous prendre en cours. Nous sommes sur ce sujet. Euh, euh Bazoum désigné candidat officiel du PNDS pour briguer le poste de président aux échéances électorales de 2021. L'opposition, euh, en tout cas, n'est pas du tout content du fait qu'il il est encore le ministre de l'Intérieur, ministre en charge, qui est en tout cas la tutelle des, élections. Euh, quelle est votre opinion à ce sujet Doit-il partir le ministre de l'Intérieur euh, Merci, Je vais finir par là où eh, Sidik a fini quand il disait le PNDS a tout l'appareil euh, pour organiser les élections ce qui fait que même qu'il soit là ou pas, ça, ne change rien. Je pense que peut-être que ce serait une question de, bon sens, pas même de légalité. Dans tous les cas, que Bazoum quitte, ce sera le parti au pouvoir. Ce n'est pas tout le PNDS qui va quitter. Le, gouvernement. Et c'est la CENI qui va organiser. Mais on sait aussi que c'est le PNDS qui a le pouvoir. Donc qu'il soit là au ministère de l'Intérieur ou pas, ça ne va rien changer. Moi, c'est ce que je pensais. Mais c'est vrai pour une question de, bon sens. Il peut quitter. Mais quitter quand Aujourd'hui, je pense que n'est pas opportun parce que la, la campagne n'a pas commencé. Et le candidat du MSD aussi investi, je crois, et candidat, le président du MSD candidat aux élections euh, présidentielle. Donc, on voit si Bazoum quitte, ça doit faire jurisprudence. Donc, tous ceux qui occupent un poste et qui sont désignés comme candidats de leur parti doivent le faire pour une question d'élégance ou de bon sens politique. Mais je pense que l'un dans l'autre, eh, ça ne change rien. Il faut que et dans tous les cas, l'opposition dise quelque chose parce qu'elle n'a rien à dire, il faut qu'elle dise quelque chose et c'est ce qu'elle est en train de dire. Je pense qu'elle est dans son droit, mais dans, la mesure où aucun, aucun dispositif légal, juridique, ne contraint Boazoum à démissionner. Je l'ai suivi hier sur une chaîne internationale quand, quand on lui avait posé la question est-ce que ce n'est pas trop tôt Il dit en temps normal, euh, le PNDS n'aurait pas investi son candidat à ce moment de la marche politique du Niger, mais mm. pour une question de cohésion, quand on avait constaté qu'il y avait eu des velléités de certains militants, il fallait créer la cohésion au sein du, du, parti. Mais je pense que c'est très tôt. Personnellement, je trouve que c'est trop tôt. Qu'est-ce qui est très tôt euh, Son, son, élection oui, oui, Sa désignation comme candidat. Vous savez, et en politique, deux ans, c'est beaucoup. C'est peu, mais c'est beaucoup. En deux ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Il peut se casser la tête, il peut mm, se griller, il peut faire beaucoup de choses, même si malheureusement ou heureusement pour lui, en face, il n'y a rien. Mm, c'est ça malheureusement le problème. Aujourd'hui, quand vous prenez la classe, pourquoi, eh, comme l'a décidé Sidikou Bazoum, peut aller <laughs> dormir tranquille En face, il y a quoi aujourd'hui Soyons sincères, soyons logiques. Même si les gens veulent l'alternance, il faut se poser la question qu'est-ce qu'il y a en face et, le, le, le, Mana qui n'a pas encore de candidat, dont le, dont le président n'est pas encore au pays et qui ne euh, certainement ne viendra pas au, pays. Euh, le, le MST qui, qui, a plus euh, son passé que son présent, aujourd'hui personne ne connaît la force réelle du, du Et le parti de Ibrahim qui prend l'eau de toutes parts avec récemment la démission de... Oui, puisque moi je pense que c'est comme si euh, nous allons revenir. Euh, vraiment, la question c'est est-ce que le fait que Bazoum reste encore ministre de l'Intérieur est, vraiment. Euh, moi, pour moi, ça ne change rien. ça. Qu'il soit là ou pas, pour le moment, à l'heure actuelle, pour vous, il n'y a pas perdu la, la, demeure. Mais même s'il reste jusqu'aux élections, ce qui ne va pas être le cas parce qu'il faut qu'il parte, qu'il parte battre campagne, ça ne va rien changer parce que même si on va l'accuser de, de, faire quelque chose qu'il quitte ou pas, c'est le PNDS qui sera au pouvoir. Bien. passons à autre chose. Le syndicat national des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, Symphamed, et le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, SUSAS, étaient en débrayage depuis le 21 mars et ils réclament entre autres le paiement des primes liées aux avancements et le recrutement des agents contracteurs de la, des agents contractuels de la santé à la fonction publique. Les deux syndicats ont suspendu leur mot de grève, grèves dit, après des échanges avec le Premier ministre Brigitte Raffini, euh, je vous proposer d'écouter Ibro Kane, secrétaire euh, général de SUSAS. Il nous en dit plus dans l'élément qui suit. On a fait le tour de ce qu'on appelle les points qui fâchent. Il a pris bonne note. Il nous a dit non, donnez-moi un temps, un délai de maximum d'une semaine et euh, je vais voir euh, l'ensemble des points que j'ai discuté avec vous pour, euh, dans notre sens, apporter les solutions idoines. Nous attendons incessamment ces solutions-là. Maintenant, on a déjà signé pour effectivement suspendre le mot d'ordre et donner suite à la proposition du Premier ministre Ibro Kane, secrétaire général du CISAS, euh, que vous venez d'écouter. Euh, ils ont, euh, donc, je le disais, suspendu leur mot d'ordre de grève, en tout cas pour attendre de voir les promesses faites par le Premier ministre Brigitte Raffini de solutionner le problème d'ici une semaine. C'est Sidi Kali, quelles sont vos réactions euh, sur ces mouvements du maire et la façon dont ils sont en train d'être pris en charge, ainsi que les conséquences engendrées pour les usagers euh, des centres de santé Moi, je retiens trois choses euh, concernant vraiment la grève du SUSAS. D'abord, la première des choses, c'est qu'il faut toujours déplorer le fait que quand des syndicats du secteur de la santé se mettent en grève, c'est toujours au-dessus le traitement, c'est-à-dire le règlement de cette question se fait toujours au-dessus du ministère. C'est-à-dire que le plus souvent, on fait recours au Premier ministre ou au Président de la République pour régler ce genre de questions. Or, normalement, des partenaires sociaux du ministère de la Santé sont censés être les premiers interlocuteurs, c'est-à-dire les interlocuteurs attitrés du ministère de la Santé, vraiment, en tout cas, avec qui ils doivent normalement échanger, trouver un compromis et régler le problème. Parce que le ministère de tutelle, c'est le ministère de la Santé. Hmm. Mais malheureusement, on constate qu'au Niger, euh, c'est-à-dire les règlements des conflits sociaux sont devenues des occasions vraiment pour euh, plus ou moins, c'est-à-dire euh, euh, brouiller les cartes, c'est-à-dire changer vraiment en tout cas certaines relations. Bon, bref, dans tous les cas, ce n'est pas normal que le Premier ministre intervienne pour régler le problème des syndicats avec un ministère. Si vraiment en tout cas les choses stagnent et et atteignent une certaine limite, vraiment en tout cas, euh, de ce qu'on appelle l'impossible, là c'est possible. Non, vraiment, euh, pour le moment, il y a un syndicat qui réclame des droits, des droits vraiment qui sont très fondés d'ailleurs. Mmh. Personnellement, je suis totalement d'accord que des contractuels ne vraiment ne pas dans une situation de misère comme ce qu'on constate actuellement. C'est mm. tout à fait fondé. Mais quand il s'agit vraiment de négocier, je pense qu'il faut toujours rester dans les limites de la raison. Mm. Il faut faire vraiment, en tout cas, preuve de lucidité et vraiment toute raison garder de négocier avec son ministère. C'est mieux. Mais quand on constate que chaque fois, c'est le Premier ministre qui vient, de même, même un autre syndicat, qui représente vraiment, en tout cas, euh, qui a une base très, euh, très limitée, peut se lever euh, pour qu'une question de marketing, va se référer toujours au Premier ministre ou au Président de la République. Ce n'est pas une bonne chose. ça participe à, aux surenchères que développent certains syndicats. Et ce n'est jamais bon. Donc c'est pourquoi moi, personnellement, vraiment, je déplore ce fait-là. Mm. Deuxième commentaire que je veux faire, mm. c'est surtout par rapport à la grève mm. elle-même. Vous avez remarqué la fois dernière, officiellement, les syndicats là sont censés normalement observer une minute de, euh, comment on appelle, un service minimum. minimum, autant pour moi. Mm. Mais quand vous partez dans les formations sanitaires, il n'y a rien, absolument rien. Il n'y a que les manœuvres. Il n'y a que les manœuvres. Il n'y a personne. Voyez-vous, surtout à une période où les Nigériens sont en train de vivre la hantise ou même peut-être même l'évidence de la ménégite la méningite existe dans ce pays aujourd'hui. Tout le monde sait que malgré les vaccinations, malgré tout, aujourd'hui, en tout cas, une période de chaleur, vraiment, en tout cas d'extrême chaleur, les gens sont en train de vivre vraiment une période vraiment de, hantise liée à la prévalence, vraiment, en tout cas, d'un niveau élevé de mmh. méningite. Mmh. Donc, en ce moment-là, vraiment déclencher une grève en soi-même, ce n'est pas une bonne chose mais c'est leur droit dans tous les cas d'aller en grève. Mais s'ils partent en grève, le mieux c'est qu'ils fassent vraiment officiellement et de façon effective un service vraiment minimum dans, certains centres, dans certains centres de, santé, le service minimum a été arrêté de 8h à 10h. C'est prévu, c'est même annoncé. Mm. Il y a même des listes qui sont affichées d'ailleurs. Mm. Mais les gens se donnent le malin plaisir de ne pas venir, tout simplement parce que c'est la grève. Et j'ai été victime de cela parce qu'on était parti vers 17h euh, dans une formation sanitaire vraiment de quartier ici à Dressalam. Il n'y a personne. Mm. Absolument personne, il n'y a que les gardiens. Des choses comme ça sont vraiment à déplorer. Mm-hmm. Mais tous, quand même, quelque part, nous sommes soucieux de préserver et de défendre nos droits. C'est tout à fait normal que ces gens aient en grève. Mais quand ils partent en grève, qu'ils s'appliquent quand même à respecter le service minimum. Alors, vous avez dit trois, vous voulez. Euh, oui, autant pour moi, le, troisième commentaire, je l'ai lié au premier, justement. <laughs> <laughs> bien. il s'agit quand même de. Euh, j'allais dire. Euh, de ce recours abusif vraiment à l'autorité suprême. Mmh, comme, ouais. Oui, je comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut toujours se contenter, vraiment en tout cas, de négocier avec l'autorité immédiate. L'autorité immédiate, l'autorité de tutelle. Mmh. Moi, je pense que c'est mieux comme ça. Et quelque part, tout à l'heure, euh, c'est un peu délicat de le dire, mais le plus souvent, les <laughs> syndicats aussi ont toujours vraiment ce penchant politique quand ils décident vraiment en tout cas de, de faire ce genre de, grève. Voyez-vous, aujourd'hui, tout le monde sait que la société civile euh, remplace la société civile dont fait partie vraiment le syndicat. Tous les syndicats d'ailleurs font partie. Voyez-vous, cette société civile a remplacé en quelque sorte sur le terrain l'opposition politique. Voyez-vous. Et le rôle d'opposition aujourd'hui est dévolu carrément aux syndicats. Et que certains syndicats, là, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire remplacent la lutte politique de terrain par même les grèves, voyez-vous, pour déstabiliser l'action politique du gouvernement. Et ça, on en a vu. Parce que tous, quelque part, on a fait le syndicalisme et le plus souvent, il y a toujours ce risque-là, ce hmm. côté-là. Euh, Dandoua, vous, quelles sont les réactions que vous, en tout cas, vous, vous, avez vis-à-vis de ces, ces, mouvements d'humeur des agents de santé De façon stratégique, c'était le meilleur moment pour les, pour les syndicats de santé d'aller en grève parce que c'est le moment de forte canicule où et on a beaucoup plus besoin de, services sanitaires que... Euh, pendant d'autres époques. Pourquoi mm. Parce que la température aussi, les 45 degrés à l'ombre, donc vous voyez, c'est là où on voit beaucoup de décès, beaucoup de malades, donc et ça va toucher beaucoup les autorités lorsqu'on se rend compte que les syndicats de santé euh, font la grève. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils profitent de cette occasion parce qu'ils savent qu'on va les appeler. Maintenant, les appeler, et qui doit les appeler C'est ce que dit Sidi qui est important et normalement, c'est le ministre qui doit négocier. Le ministre on, de on connaît le passif de ce ministre. C'est un ancien aussi secrétaire général du, Saint-Famed. Il a été pendant longtemps SG, et, un, SG qui a fait des, euh, des belles choses, qui était euh, très présent aussi sur les médias, je me rappelle, et à chaque fois qu'on a besoin de lui pour... pour euh, oui, expliquer certaines choses. Il a toujours, il a toujours été là. Mais lorsque, à chaque fois, il faut court-circuiter le ministre euh, de tutelle pour aller voir le ministre, ça le fragilise. Vous voyez, aujourd'hui, quand, si demain les appels pour négocier, ils vont dire dans tous les cas, même si on commence, ça ne va pas aboutir, il faut encore voir l'autorité suprême. Ça fragilise l'interlocuteur qui est en face et, ça donne encore plus de pouvoir aux syndicats qui sont en grève. Mais dans tous les cas. Vous, vous pensez que c'est fait exprès alors je ne sais pas pourquoi. pourquoi. C'est de bonnes dans tous les cas. Et, ça les arrange parce que on, on, euh, ça veut dire qu'on les a écoutés. On les a écoutés parce que c'est allé jusqu'au Premier ministre. Après, le il ne reste que le président de la République. Vous voyez Mais ce genre de choses, il faut que eh, la situation s'aggrave. Or, elle n'est pas aussi grave que cela. À peine ils ont commencé euh, le, mouvement d'humeur qu'on les appelle et que c'est la primature qui les appelle. Or, je suis sûr et certain que pour avoir été un, monsieur aussi qui, a toujours prôné le dialogue, le ministre, euh, ministre a peu discuté avec ses syndicats, ce sont ses amis de lutte, ce sont ses, camarades de lutte qu'il avait côtoyé sont ses petits frères aujourd'hui. Je parle du Saint-Fameux, je pense qu'il peut négocier avec eux. Je crois et je pense que c'est nécessaire qu'on laisse chaque ministre négocier avec les syndicats, pas que le ministre de la Santé, mais tous les ministres. Mais eh, une grève euh, dans la santé, ça suppose qu'il y a un malaise au sein de ce, de ce domaine. Et je pense que ce n'est pas important aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a le SINEX qui, qui, qui, est en grève, il y a les élèves, sûrement, on va en parler, qui, qui, qui, vont en grève. Mm. Quand ça se généralise, ce n'est pas bien pour un régime. Il faut qu'on sache discuter avec les gens. Il ne faut pas créer toujours des mécontents un peu partout et ça crée euh, des problèmes dans le pays. Alors, Sidi Kali, Comment, à votre avis, on peut solutionner ces débrayages récurrents dans le secteur de la santé et qui ont des conséquences inestimables sur, euh, en tout cas, notamment la santé des, populations Justement, euh, quand euh, un corps, c'est-à-dire un mécontent et décide d'aller en grève, c'est que forcément, il y a une raison. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire que les raisons qui sous-tendent, par exemple, le départ en grève, du sujet ne sont pas fondés. Le recrutement des agents par exemple, tout ça, c'est publique. Oui, maintenant les primes liées aux avancements. Tout à fait. Ces gens-là ont travaillé dur. C'est des agents de l'État. Ils travaillent souvent dans des conditions extrêmement difficiles sur le terrain. Il faut le reconnaître. Vous partez aujourd'hui dans des zones reculées ou même dans des zones vraiment à fort risque Voyez-vous, des zones d'insécurité. Vous trouvez aujourd'hui des agents de santé qui tiennent bon et souvent même qui partent sur le terrain où vraiment, en tout cas, euh, leur vie est en danger pour faire le travail. vous même euh, ici dans les villes, euh, ceux qui sont là, vous avez dû remarquer quand même que à tout moment, ils sont là, ils se relaient, ils travaillent vraiment de façon très difficile et avec quel revenu. Donc tout ça là, on n'a pas besoin de faire de commentaires là-dessus. Ce serait vraiment très ingrat quand même pour un citoyen que je suis, vraiment de, dire qu'ils ne méritent pas leur salaire ou bien euh, leur, euh, droit. Ça, c'est vraiment absolument pas du tout réaliste. Je ne, m'avance pas sur ce terrain. Mais nous, ce qu'on est en train de dire, euh, c'est que euh, quand vous êtes un syndicat, dans tous les cas, vous avez une vocation. Vous avez la vocation de représenter votre corps. Au cas où ces droits sont violés, vous êtes obligé toujours de décider de les défendre. Et la défense, ça veut dire quoi La défense, la meilleure façon de défendre pour un syndicat, c'est d'aller en grève. Et quand vous partez en grève, il y a un protocole qui est là. Il y a un protocole universel qui est signé par l'État du Niger, les syndicats et tout le monde. Les, par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez les conventions que le Niger a ratifiées au niveau euh, de, de l'OIT, mm. du BIT, je veux dire, mm. ces conventions-là prévoient le, la notion de grève, qui est un droit absolu pour les syndicats. Mm. Mais pour aller en grève, à l'intérieur même de ces conventions, chaque pays a des lois internes qu'il adopte mm. pour euh, légiférer sur le départ en grève. Et c'est vraiment ces lois-là qui prévoient un certain nombre d'obligations qui sont dévolues au syndicat et un certain nombre d'obligations aussi qui sont dévolues vraiment en tout cas à l'autorité publique, au pouvoir public. C'est cela vraiment en tout cas vraiment aujourd'hui qui, qui n'est pas trop respecté à mon avis. Mm. C'est-à-dire pour ce qui est du syndicat, il y a vraiment cette notion de, de service minimum. Si le service minimum. Qu'il faut à tout prix assurer. Nous, dans tous les cas, en tant que citoyens lambda, ce que nous concerne, c'est ce côté. Dans tous les cas, les syndicats et le gouvernement sont en train de nous tirailler autour, vraiment, en tout cas, d'un droit, voyez-vous, vraiment des, des avantages peut-être des avantages statutaires. Mm. Ça va, dans tous les cas, ça va se régler puisque chacun est obligé de faire, d'aller, mm. de lâcher du lest. Mm. Parce que c'est le dialogue qui vraiment règle tous ces problèmes-là. Les problèmes sociaux doivent toujours faire l'objet de discussions, de dialogues, et les dialogues doivent toujours aboutir à des solutions, quel que soit le conflit. Mais maintenant, le problème, c'est que faut pas que la population en pâtisse. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que quelque part dans cette lutte entre le gouvernement et les syndicats, c'est la population qui est en train de souffrir. Et surtout, à un moment, comme dit Rouvaille tout à l'heure, euh, c'est vrai, quand un syndicat, par exemple, juge utile, bah, c'est le cas aussi des enseignants, vous avez remarqué, c'est toujours des périodes des examens que les syndicats des, euh, des enseignants saisissent pour aller, pour aller en débrayage. Et les, syndicats aussi du secteur de la santé, on a comme l'impression qu'eux aussi, ils essaient d'imiter. Il y a des euh, moments opportuns. Oui, surtout la période, faut de, la période de canicule. C'est une période extrêmement difficile. Il y a les il y a les maladies, vraiment, en tout cas, il y a beaucoup de maladies. Aujourd'hui, si vous essayez de voir le taux, par exemple, de, fréquentation des formations sanitaires, mais c'est ahurissant. Vous allez vous demander là, vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Ben, vous, partout, partout, parce que la chaleur engendre beaucoup de maladies que les médecins vont certainement vous expliquer, des déshydratations, par exemple, euh, il y a beaucoup de choses chez les enfants et surtout chez les femmes aujourd'hui enceintes voyez-vous, et n'en parlons même pas encore chez les personnes âgées, voyez-vous. Et aujourd'hui, il y a, cette affaire de méningite qui est là. Et avec tout son corollaire, vraiment, en tout cas, de, euh, petites maladies telles que, par exemple, les IRA, autres là. Donc, bref, et, ils sont en droit d'aller en grève, mais de grâce, qu'ils respectent quand même le service minimum. Et en ce qui concerne le gouvernement, moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire, tandis que quand vous partez en grève, négociez toujours avec votre ministère. Aujourd'hui, le ministre, là, euh, tout à l'heure, euh, le, petit frère l'a dit, euh, mais c'est un syndicaliste. C'est un syndicaliste au carré. Il sait, il a vécu le syndicalisme. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, moi le connaissant très bien, il a les réflexes du syndicaliste quand vous échangez avec lui. Donc, ça veut dire qu'il est censé connaître le problème des, des, des, agents de la santé. Il connaît, d'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux que lui il a défendu ces droits-là. Donc c'est pourquoi je serais plus à l'aise en tant que syndicaliste de négocier avec ce ministre que d'aller au-delà et négocier avec une autorité politique qui peut-être a la solution politique mais qui n'a pas forcément vous, la maîtrise, mm. euh, vraiment en tout cas de certains aspects très subtils, vraiment en tout cas de, de ce droit de, des agents de santé. Euh, Rufai Dandoua, euh, le Premier ministre leur a promis en tout cas euh, de solutionner en tout cas les différentes revendications d'ici une semaine. en tout cas, des solutions sont en réflexion. Et pour vous, comment garantir en tout cas le retour définitif au calme vous, savez, le dialogue social a toujours été la solution lorsque les, syndicats partent euh, en mouvement d'humeur, que ce soit les grèves ou, autres canaux par lesquels ils peuvent se faire entendre. Je pense que c'est vrai, euh, on aurait dû laisser au ministre, mais quand aussi le Premier ministre s'est mêlé, ce n'est pas aussi mal. Mais maintenant, on attend les décisions qu'il va prendre et qu'il va proposer au syndicat. Et on suppose normalement que dès l'instant où c'est parti au Premier ministre, ça ne doit pas, et ça ne doit pas et les solutions doivent tomber, puisque après le Premier ministre, il n'y a plus euh, une autre personne que le président de la République. Or, je ne pense pas que le président va se mêler pour des, des, luttes euh, euh euh, des, des, revendications de postes ou de recrutement. Non, ce n'est pas son rôle. Je pense que le Premier ministre s'est mis aussi la corde au cou en se mêlant et euh, à, cela, <laughs> oui. Et maintenant, il faut qu'on trouve une solution et des solutions qui vont arranger toutes les parties et l'État, parce que lorsqu'il faut aussi recruter tout le monde, tous les contracteurs pour les mettre au sein de la fonction publique, ça suppose aussi beaucoup de coûts. Et maintenant, il faut, voilà, il faut couper la poire en deux, comme on dit maintenant, proposer des choses, peut-être leur faire une promesse, on va bon, et graduellement et embaucher des gens au fur et à mesure, ou bien on va prendre une partie maintenant, le reste. En tout cas, dans tous les cas, c'est sûr que lorsque le Premier ministre promet, on ne peut que lui faire confiance et attendre qu'il y ait des solutions et idoines, parce que si les solutions ne satisfont, ne satisfont pas les, agents de la santé, ils vont encore retourner. Et la canicule, ce n'est pas encore fini. Et j'ai suivi une interview du responsable de, du service de la météorologie qui disait que c'est de mars jusqu'à mai, je crois, cette période. Et on, on suppose, ils ont estimé qu'entre avril entre mars-avril, en tout cas tout le mois d'avril, on peut aller jusqu'à 40-45 degrés. Or, c'est le moment où les gens meurent le plus. Nous, euh, comme on est fataliste, on dit que non, c'est Allah n'est mois seulement, il faut qu'il meure. Alors mm. que lorsqu'on analyse les choses en profondeur, c'est cette canicule qui tue surtout les personnes âgées et les enfants, parce que ces, ces deux catégories de la population ne peuvent pas supporter beaucoup. Et les services de santé doivent être là pour prendre en charge certaines pathologies. Naturellement. Euh, un, mot que j'allais par rapport à ce qu'il vient de dire justement, euh, le fait que le Premier ministre négocie directement avec les syndicats, vous savez, il y a ce qu'on appelle les, en droit les jurisprudences. Mm. Aujourd'hui, c'est euh, les, les, agents de santé. Demain, peut-être les enseignants, après-demain, les étudiants et encore. Parce que <laughs> chaque corps va vraiment, en tout cas. Ça veut dire que le Premier ministre aura à recevoir. En tout cas, c'est une euh, jurisprudence. Et, moi, j'allais même dire que c'est un mauvais précédent. Parce que chaque fois, qu'il faut recevoir vraiment, en tout cas, ces corps-là pour négocier directement, ce que de tout point de vue, moi je pense que ce n'est pas du tout opérant. Deuxième euh, commentaire à faire à ce sujet, euh, il y a aussi, vous n'oubliez pas, euh, très bientôt il y aura la conférence de l'Union africaine ici dans ce pays. Je crois que je comprends un peu le l'activisme du Premier ministre pour un peu calmer les choses, trouver des solutions. c'est parce que quelque part, aujourd'hui, le gouvernement n'a pas besoin de, de des mouvements sociaux pendant ce moment, parce qu'il reste seulement à peu près, je crois, 80, quelques jours, hmm. donc euh, un peu moins de, trois 3, mois. Donc c'est une période extrêmement sensible pendant laquelle tout doit être mis en œuvre pour éviter vraiment, en tout cas, euh, qu'il y, ait vraiment en cas de couac. Donc voilà un peu euh, le commentaire que j'allais faire à ce sujet. Mais c'est que sûr, ils ont intérêt tous vraiment en tout cas à aller hmm. dans le dialogue et trouver des solutions. Bien, nous passons au troisième sujet de, cette émission, Forum de la presse. Dans une circulaire en date du 1er avril, le ministère des enseignements secondaires a interdit les cours particuliers euh, fournis par des enseignants aux élèves moyennant paiement et qui utilisent les établissements publics et privés pour le faire. Les raisons avancées se résument à une rupture d'égalité entre élèves et un climat de suspicion entre élèves et enseignants sur les évaluations. Cette décision est euh, objet de polémique, ça et là. Euh, Roufaï Dandoua, quelle est votre lecture à ce sujet Faut-il interdire ou encourager cette pratique Je pense que c'est un peu complexe. Hein. Ce, qu'il dit, ce que le ministre dit quelque part, euh, ça a son sens. lorsque euh, tu as des enseignants, des, des, élèves du moins, ou des candidats que tu enseignes en classe et que tu reprends encore le week-end pour leur enseigner ou pour faire la répétition, comme on dit. Mm. Je pense que quelque part, oui, ce sentiment de... Pas, pas de, de, suspicion. de suspicion, de complicité. entre élèves et enseignants peut intervenir. Je suis entièrement d'accord. Et nous, peut-être que, euh, euh, moi, je ne suis, pas, je suis pas vieux, mais peut-être que aussi quand on était à l'école, ça se faisait, mais peut-être qu'on n'avait pas aussi les moyens pour s'inscrire, ou bien que l'école, ça marchait plus qu'aujourd'hui. Mais, il y a un mais, pour garantir tout cela, et ça, c'est à l'État de le faire, pour garantir eh, la, légalité de chance devant eh, à l'école ou la justice. Mais c'est à l'État de créer cela. Lorsque déjà eh, ça ne marche pas à l'école et que quoi qu'il arrive, les gens vont aller aux examens, comme ça a été le cas l'année passée, avec toutes les conséquences qu'on avait, et qu'on avait constatées. C'est normal que les parents d'élèves qui ont les moyens trouvent d'autres canaux pour que leurs enfants puissent répéter et bien assimiler les cours. Lorsque, lorsqu'ils parlent aussi de la justice ou de, la, de l'égalité de chances devant et de tous les, de les, citoyens. Mais c'est à eux de créer toujours ces, conditions en ne créant pas les conditions euh, de débrayage dans les, dans les écoles, en permettant, en n'enlevant pas leurs enfants vous voyez, pour les, euh, euh, envoyer ou dans les écoles privées ou bien à l'extérieur pour étudier pendant que l'enfant du pauvre, lui, est là à, Niamey, il est dans des, des, écoles où ça ne marche pas. Vous prenez tous les ministres, moi je ne connais pas, je ne sais pas si lui il a des enfants, mm. mais, mais s'il a des enfants, je suis sûr que ces enfants ne sont pas dans les écoles publiques où il y a toujours les débrayages. Donc, lorsque vous, vous parlez de quelque chose, de la justice, la justice, elle doit être eh, pour tout le monde, pour tous pas seulement juste pour, pour se faire entendre une fois, parce que c'est, il faut le dire, c'est un ministre effacé que personne ne connaît, il est là maintenant. Pour Ça, c'est votre point de vue. Pour une fois, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut qu'on, parle de lui. Moi, je pense que et les répétitions, on ne peut pas les, les, les empêcher. Peut-être qu'on peut les empêcher dans les écoles D'accord, c'est l'école c'est public, c'est pour tout le monde, ou même privé, c'est pour tout le monde. Mais cela ne va pas empêcher que moi, Rufai, qui ai les moyens, je paye un enseignant pour venir chez moi et enseigner mes enfants. Et d'ailleurs, cela n'a pas été empêché. Ce qui a été interdit, c'est de, donner des cours payés au niveau des écoles publiques et privées. la meilleure solution, COSI, la mm. meilleure justice qu'ils doivent créer, le politique s'entend de faire en sorte que tout marche à l'école, qu'il n'y ait pas de grève, que les enseignants soient dans de bonnes conditions, que les élèves soient dans de bonnes conditions et qu'il y ait une bonne année qui commence de septembre, 1er ou 2 septembre à fin juin, afin que les élèves puissent aller dans des conditions normales pour affronter les, les épreuves de fin d'année. Tant qu'il n'y aura pas ça, la circulaire là qu'il a, qu'il a, qu'il a envoyée vous avez vu les élèves qui sont. allés revenir à ça. il ne faut pas mettre la charrue avant donc, <laughs> <laughs> Bien, euh, Sidi Kali. Bon, moi, je pense Comment vous, vous lisez en tout cas cette situation J'ai lu la circulaire, là, j'ai retenu trois points. Mhm. D'abord, euh, au passage, je dois souligner que je connais très bien le ministre Sanoussi. C'est quelqu'un qui est de nature très calme, mais aussi quelqu'un de très sobre et efficace aussi. Mhm. Depuis qu'il est venu à la tête de ce ministère, vous avez remarqué que peut-être euh, avant, c'était un ministère très tumultueux, mais aujourd'hui, c'est un des ministères les plus calmes. Donc, on ne parle pas beaucoup de ce ministère parce que quelque part, il y a un travail de fond qui a été mené pour stabiliser ce ministère. Bon, je ne fais pas son marketing dans tous les cas. Euh, moi, je le dis parce que c'est mon ami aussi. Donc, euh, de passage, <laughs> je, je, pense qu'il y a une erreur de choix stratégique pour rejoindre maintenant, réellement pour rejoindre vraiment <laughs> Faye. Euh, laquelle euh, Quand j'ai lu vraiment, en tout cas, la lettre circulaire, euh, si j'étais conseiller du ministre, j'allais lui dire il y a vraiment, en tout cas, des priorités. C'est-à-dire, il y a des problèmes prioritaires auxquels le ministre peut s'attaquer. Mhm. Par exemple, il y a trois notions qu'on peut retenir dans la lettre. Il y a cette affaire vraiment, en tout cas, de rupture d'égalité. Mhm. D'accord Il n'y a pas que cette affaire de coûts complémentaires qui peut symboliser la rupture de l'égalité. La rupture de l'égalité est aujourd'hui, elle est même institutionnalisée avec le secteur, par exemple, privé de l'enseignement. Hmm. Par exemple, les écoles privées aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Il y a des écoles aujourd'hui, un bon matin, le fondateur peut se lever, il peut passer les frais d'inscription de 50 000 à 300 000, personne ne peut l'obliger à revenir. C'est-à-dire que c'est un peu, euh, en quelque sorte, le libéralisme sauvage dans le domaine vraiment de l'enseignement privé. Hmm. Il y a des écoles, il y a à peine 5 ans, ils sont à 80 000 francs, par exemple, la sixième, l'inscription dans la classe de sixième. Aujourd'hui, ils sont à 140, 160 000. Vous comprenez Donc, Et l'État aujourd'hui est totalement absent dans ce domaine pour légiférer et obliger ces écoles à rester vraiment, en tout cas, sur les ligne tracée par l'État. Donc ici, il y a carrément rupture vraiment en tout cas d'égalité. L'enfant de pauvre dont le revenu par exemple annuel des parents ne dépasse même pas 60 à 70 000 francs, quelles seront ses chances à inscrire un enfant à l'école privée Une école privée vraiment en tout cas qui va demander des centaines de milliers pour un enfant par exemple qui va en classe de sixième. Voilà par exemple la rupture de l'égalité. L'État devrait s'attaquer à ça. Vous comprenez Quels sont les autres. Euh, J'arrive. Deuxième, euh, par exemple, aspect que j'ai retenu, il y a cette affaire de complicité, de suspicion entre les élèves et l'enseignant. Vous comprenez Ici, quelque part, je, euh, je ne dédouane pas l'enseignant. Mais quand un enseignant, après avoir fait des études, après avoir décroché par son parchemin, il embrasse sa carrière d'enseignant, il se retrouve dans une situation de précarité absolue, comme si c'est vraiment de façon mécanique, il aboutit vraiment à la précarité, il se retrouve avec un, un salaire de misère, il n'a aucune chance d'avoir son numéro matricule de la fonction publique qui lui garantit une certaine vraiment stabilité vraiment des revenus. Mm. Et voilà, il passe de porte en porte, il vient à telle porte, il prend deux enfants, il les enseigne pendant deux heures de temps, il, prend, il passe à une autre porte, il prend trois enseignants et le week-end, il prend des enfants pour les enseigner à l'école. C'est ça ce qu'on appelle le business vraiment de l'enseignement. Le business de l'enseignement, euh, c'est vrai, quelque part, ça peut créer des liens intimes entre les élèves et les enseignants, mais quelque part aussi, ça compense cette précarité dans laquelle sont en train de végéter les enseignants. Vous comprenez Et ça, c'est à l'État normalement d'intervenir pour remédier cette situation. Je crois que le meilleur choix à faire dans ce secteur, c'est de faire en sorte que la précarité vraiment dans lesquels euh, euh, vraiment végète le, le, corps des enseignants soit réglé. Seulement, de on façon... ne euh, peut pas recruter tout le monde. Mais, même si on ne peut pas recruter. Aujourd'hui, par exemple, le revenu, le salaire d'un enseignant, c'est plus ou moins acceptable. D'accord, voyez-vous. Mais quand vous prenez, par exemple, un contractuel, quelqu'un qui n'est même pas engagé, quelqu'un qui qu'on peut révoquer facilement aujourd'hui du jour au lendemain, par un directeur régional tout simplement. Il a un misérable, par exemple, revenu par exemple, de moins de 100 000. Mais il faudrait bien qu'il se débrouille pour arrondir les angles. Il a une famille à nourrir. Souvent, parmi ces contractuels-là, tu vas trouver quelqu'un qui a trois enfants, quatre enfants. Vous connaissez aujourd'hui le, euh, <laughs> niveau, vraiment, en tout cas, le, poids démographique des Nigériens. Aujourd'hui, à partir de 30 ans, vous êtes censé avoir au moins deux ans. deux, euh, enfants, pardon, je veux dire. Mm. Et les deux enfants et votre femme, là, avec quoi vous allez nourrir Pas avec 100 000. Aujourd'hui, il y a des maisons, vous partez là, vous tombez une chambre salon, on va vous dire 50 000. L'État est absent pour régler cela. Ah, alors, j'arrive. Le sac de riz qui était à peine à 17 000, 18 000 il y a à peine 5 euh, ans, 6 ans, aujourd'hui est à 25 000. L'État est absent pour régler ça. Hmm. Voyez-vous, c'est pour vous dire que le problème là doit être réglé à la racine, pas vraiment en tout cas euh, euh, au sommet. Le sommet, là, moi, je trouve C'est votre impression J'ai comme l'impression qu'on s'est attaqué juste vraiment, en tout cas, à, l'épiphénomène, mm. c'est-à-dire vraiment, en tout cas, à l'aspect très insignifiant du, problème. Maintenant, quelque part aussi, ils ont parlé de l'éthique de l'enseignant. Mais quand quelqu'un est pauvre, il n'a rien à manger, quelle éthique on va s'attendre de cette personne Alors, Il n'y a pas d'éthique. Et ce n'est pas que les enseignants, dans tout le corps. On a vu que, en tout cas, les, les élèves euh, concernant cette affaire toujours euh, du ministère des, enseignements secondaires qui interdit l'organisation de, cours euh, rémunérés, les élèves des lycées et collèges de la région de Niamey ont entamé une grève de plusieurs pour exiger l'annulation justement de, cette mesure. Qu'en dites-vous de l'évolution. Mais moi, je dis que quelque part, c'est même une à la grève. Vous comprenez Voilà un gouvernement qui est là, qui a vraiment, en tout cas, le vent en poupe, qui est stable, qui fonctionne normalement qui surfent sur une certaine stabilité, mais que les ministres sortent souvent pour créer des faux problèmes. Et le problème là, aujourd'hui, essaie vraiment en tout de provoquer des tensions sociales. Et des tensions sociales, on ne sait même pas comment ça, va finir. <laughs> est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de provoquer des élèves Vous savez le problème là. Il ne faut pas oublier que quand les élèves et les étudiants descendent dans la rue, c'est toujours très difficile à régler. Vous comprenez Parce que quelque part, c'est des gens, euh, je ne dis pas quand même qu'ils ne sont pas matures, mais le plus souvent, non seulement ils sont incontrôlables par leur nombre, mais aussi par leur vitalité. Vous comprenez Et la démocratie nigérienne dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui, quand vous vous référez à son historique, ça vient de ce corps-là. Vous comprenez C'est pourquoi moi j'ai dit, il ne faut jamais provoquer le monstre là où il est. Ces gens-là sont là dans leur coin, ils sont en train de vivre leur misère, ils sont en train de euh, vraiment, en tout cas, végéter, vraiment, en tout cas, dans leurs problèmes. Mais vous sortez, vous prenez une lettre circulaire ou bien vous prenez une mesure. vous, récemment, par exemple, le ministre de l'Enseignement supérieur qui s'est fait tabasser par les étudiants, enfin, casser son véhicule à, à l'université. Mais moi, quelque part, j'ai dit, mais quel mal l'a pris, quel diable l'a piqué pour jusqu'à prendre de certaines mesures contre les étudiants. Euh, Il faut laisser les étudiants et les élèves tranquilles. Moi, en tout cas, en tant que politicien, en tant que ministre, si aujourd'hui quelqu'un me propose d'aller provoquer les étudiants ou les élèves, en tant que ministre de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement supérieur, je dis non. Je Alors, préfère que, bon terme avec Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui Que cette mesure soit retirée, purement et simplement mais elle est inopportune. Et surtout, je, les, élèves ont compris que eh, eh, l'USN est, moribonde parce qu'elle est, elle est à la solde du politique. Maintenant, c'est eux qui sont sortis pour, pour faire leur mouvement. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit sur euh, le mal est profond au Niger. C'est ça ce qui est malheureux. C'est comme l'histoire de, la santé. Quand euh, tout a été privatisé et c'est le capitalisme sauvage. Aujourd'hui, quand vous partez dans les hôpitaux, ce sont les mêmes médecins qui sont dans les hôpitaux nationaux qui vous renvoient dans les dans, les, dans, les cliniques. Et personne ne dit mot. C'est la même chose dans les écoles. Dans les écoles publiques, maintenant, ce sont les mêmes enseignants qui sont dans les privés pour enseigner. Conséquence, tout ce qui est public devient nul. Ce qui était le contraire avant. Avant, quand tu pars dans, les, dans, dans une école privée, c'est que tu étais nul. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce sont les meilleurs qui partent dans les écoles privées parce que leurs parents ont de l'argent. Moi, je pense que c'est une erreur stratégique qui a été commise par le, par le ministre parce qu'il n'a pas été bien conseillé en, faisant le mal, il faut l'attaquer à la racine, pas et eh, lorsqu'il grandit. Et cette injustice, ce n'est pas dans la manière de donner le cours. Aujourd'hui, on a vu les élèves qui sont sortis, on ne sait pas jusqu'où ça, ça, peut aller. Ça peut peut-être lundi, quand ils sortent, ils vont encore continuer les grèves. Et comme il n'y a personne pour les cadrer, parce que, comme je le disais, l'USN aujourd'hui, on ne sait même pas qui est le SG de l'USN. C'est toi qui ne sais pas. Oui, donc, vous allez, donc vous verrez que. parce oui. que quelque part, aujourd'hui, les syndicats est en hibernation. Oui, vous allez euh, voir que personne ne pourra les contrôler. l'USN qu'on connaissait par vraiment, en tout cas, le passé, euh, vraiment une structure très active. Aujourd'hui, vraiment, elle est quasiment absente vraiment du débat national. Donc, ça, il faut le dire, la vérité. Hein. Mais il n'y a pas que l'USN. Aujourd'hui, il y a l'USN aussi qui a disparu. Sur ces mots, prend fin le forum de la presse de ce soir. Nous étions accompagnés de nos confrères Sidi Kali, analyste politique, et Dandoua journaliste indépendant. Rendez-vous demain, euh, samedi à 17h30 pour le forum en Hausa sur le rôle du médiateur de la République et dimanche à la même heure pour le forum en Zarma sur la déforestation.